Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le forum du studio Kalangu, votre émission quotidienne qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Problème de loyer à Niamey, comment y faire face C'est la thématique du forum de ce jour. Malgré la loi 2018 portant sur le principe fondamental de la construction et de l'habitation qui autorise les sociétés immobilières privées à accompagner l'État, la question de l'habitat constitue toujours une préoccupation pour les habitants des centres urbains, notamment ceux de la capitale. Une population qui doit débourser environ 100 000 francs CFA pour des maisons qui répondent à certains normes selon nos constats sur le terrain. Avoir un logement commode n'est plus donc à la portée du fonctionnaire moyen, à moins d'y mettre tout son salaire. Qu'est-ce qui explique la cherté du loyer de la ville de Niamey Quelles sont les dispositions prises par l'État pour y faire face Quelles conséquences le déficit chronique de l'offre de logement peut avoir sur la population Comment faciliter l'accès au logement Et quels sont les défis Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Nassir Seydou, président de l'association La Voix des Sans-Voix. Bonsoir Nassirou. Bonsoir madame. Madame Rabi Ali, locatrice. Bonsoir madame Rabi. Bonsoir madame et Mahama Nouri, président de l'Association de défense des droits des consommateurs ADDC Odata. Bonsoir Madame Nouri. Bonsoir madame. Mahama Nouri qui va participer dans ce forum en ligne. La présentation, c'est Fatih Zakari. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je propose d'écouter le témoignage de quelques locataires sur le prix des loyers à Niamey. À Niamey, les chambres sont chères. Là où moi je loue, je suis dans un chambre salon, mais je paye 50 000 par mois. Vraiment, nous voyons les difficultés, nous voyons la cherté des de, de, locations à Niamey. Oui, sinon, avant c'était 40 000. maintenant, il a augmenté les 10 000. Maintenant, ça fait un an. après un an, il a augmenté 10 000. Mais nous lançons un appel au niveau des autorités de pouvoir nous aider et pour que notre vie soit meilleure au niveau de location. Vraiment, c'est du calvaire, c'est tout à fait du calvaire à Niamey. Le problème de loyer, surtout à Niamey ou bien presque partout sur le territoire national, vraiment c'est un problème cuisant auquel vraiment les autorités doivent avoir un regardant par rapport à cette situation. Par exemple, si vous prenez d'abord le prix des loyers dans les autres localités du pays est particulièrement à Niamey. Tu vas voir par exemple, on va te dire si entrer au Pouchemé, tu vas payer 20 000 francs à la fin du mois. Ou bien si peut-être euh, c'est une chambre salon ou des chambres salon, la personne va te parler de 60 000, 70 000, 50 000 même. Ou bien, et aussi ça dépend de l'endroit. Ça dépend de l'endroit. Par exemple, si et vous voulez peut-être euh, avoir une maison au niveau euh, d'un endroit où c'est presque dans la ville, surtout ici à Niamey, ça, le prix augmente. Et vous voyez aussi, euh, le propriétaire de, la maison va te de donner la caution. Et à chaque fois, si vous prenez, au lieu que le prix de loyer baisse, et contrairement, le prix de loyer augmente crescendo. Les nouvelles autorités du pays doivent essayer vraiment de mettre l'accent par rapport à cette situation, de réglementer aussi. Et pourquoi pas même peut-être euh, subventionner la question de la. Moi, je suis d'accord à ce que l'État puisse subventionner cette question des loyers au niveau partout, même sur le territoire national. Parce que c'est aussi ça la gestion de l'État, c'est aussi ça la responsabilité. Vous venez là donc euh, d'écouter le témoignage euh, de quelques locataires euh, sur le prix des loyers à Niamey. Je commence par Mahama Nouri qui est en ligne président de l'association des défenseurs des droits des consommateurs. Quel commentaire faites-vous donc de ces réactions que vous venez d'écouter Merci madame. je crois que tous les intervenants ont parlé de la problématique du loyer à Niamey et même à l'intérieur du pays. Mais d'entrée de jeu, mhm je dirais que notre réglementation nationale sur le code de voie loyer, je crois que c'est une réglementation mornée. Pourquoi mornée Parce qu'on que mhm. on fait un texte de loi, même s'il y a des textes complémentaires, le décret, euh, maintenant les autres textes complémentaires, on, ne sait pas à quel niveau on est. Et pire encore, l'institution qui devrait se charger en tout cas de la mise en œuvre de cette loyer, mhm. on ne sait pas à quel niveau on est et il n'y a aucune perspective apparemment par rapport à ce secteur-là, très vital parce que le droit à l'habitat, c'est un droit reconnu autant dans nos textes fondamentaux, mais autant dans la réglementation internationale, mais aussi à l'intérieur de la loi sur la protection des consommateurs. Donc, sur le plan réglementaire, mm. il y a certes les textes, mais je crois que c'est une réglementation mornée. Donc, c'est un abandon. L'État, vraiment, à ce niveau-là, je crois que l'État a démissionné pour, en tout cas, réellement s'en charger sur la question de la mise en œuvre du Code à loyer. Oui, Madame le projet de loi déterminant les principes fondamentaux du Code des bois loyer, ils sont en train d'étudier donc le projet de loi et bientôt ça sera donc soumis à l'Assemblée nationale. Oui, c'est une révision dans tous les cas. Le, Code des bois loyer, depuis 99, du mois même 96, ah, le premier code, c'était comme ça, au temps de Barré. Juste après le temps de barrer maintenant, il y a eu une révision en Et jusqu'à présent, aucune institution n'a été mise en place. Aucune application n'a été faite. Maintenant, de révision à révision, mm. est-ce que c'est ça l'efficacité S'il y avait au moins un début d'application, là, c'est intéressant. S'il y a une institution même si c'est un petit bureau au ministère en de l'urbanisme qui s'en charge sur ces questions-là, là, on sait qu'il y a quelque chose. Maintenant, par rapport à la réalité sur le terrain, tous ceux qui ont intervenu, je crois que c'est des gens qui vivent la réalité. Ce qui est très gênant, ce très gênant, c'est que d'abord, l'évolution du, loyer en lui-même par rapport à la demande, il n'existe pas une véritable politique nationale. La politique, c'est juste pour les fonctionnaires de l'État. Maintenant, les autres, on les laisse comme ça. Mais quand vous regardez le secteur de l'électricité, le secteur de l'eau, tout ça là, c'est régulé. Le secteur de transport, c'est régulé. Il y a des autorités de régulation, pas le loyer. Le loyer, c'est vital. Tant que vous n'avez pas le loyer, vous ne pouvez pas dormir à dehors. Donc, moi, je crois qu'à ce niveau, c'est vraiment un abandon. Mhm. L'État a abandonné et c'est l'occasion d'interpeller l'État. À présent, nous allons donner la parole à Rabi Ali. Vous êtes euh, locatrice, euh, vous venez donc euh, d'écouter le témoignage de ces locataires sur le prix des loyers à Niamey. Comment donc réagissez-vous J'ai bien écouté ce que mes concitoyens ont dit de cette location. Mhm. Donc personne euh, ne fait pas un problème de ça. Mhm. Il n'y a que les locataires qui savent qu'ils sont dans des problèmes et non les autorités et d'autres personnes de mhm. la, société civile ou autre. Mais nous, nous savons que nous sommes dans des problèmes. Et eux, ils ont seulement parlé, ceux qui ont les intervenants, ils n'ont parlé que du prix du loyer. Ils n'ont pas parlé de d'autres problèmes que nous rencontrons dans cette location. D'abord, euh, pour euh, beaucoup de choses que peut-être nous aurons à développer, il n'y a que le prix. Le prix, c'est pas, c'est pas, c'est même pas ça le problème crucial. Alors, vous pouvez donc euh, nous évoquer donc euh, ces problèmes-là. Oui, d'abord, moi, le premier problème que je vois, c'est l'instabilité du locataire. Quand je dis l'instabilité, mm. tu n'es pas toujours dans le même quartier, dans la même maison. Mm-hmm. Il suffit que le propriétaire ait besoin de sa maison, que déjà il t'expulse. Donc tu ne peux pas être stable dans, dans la ville tes amis, tes connaissances et ta famille mhm. ne savent pas tout le temps, on ne sait pas où, tu es. On ne sait pas, on ne connaît pas ton adresse parce que tout le temps tu es là, par, dans ce quartier, demain tu es dans un autre quartier. Hein, parce qu'il faut changer de maison. Le nomadisme. Oui, voilà. Donc, il y a d'abord cette instabilité mhm. du locataire. Il y a aussi l'exiguïté des maisons de location. Il n'y a même pas, certaines maisons n'ont même pas de cours. Or, nous, ici, au Niger, nous sommes habitués à, rester dans, une cour pour, bavarder, pour même prendre de l'air. Mais il n'y a pas de cours. Dans certaines maisons, il n'y a même pas de cours. C'est juste la terrasse du portail à ta terrasse mhm. et au salon. Donc, il il y a ça aussi. Mhm. Il y a le problème de de, nos suivis, de nos réparations. les propriétaires refusent de, réparer des fois dès qu'il y a des problèmes dans une maison. Ils ne viennent même pas réparer. C'est les locataires qui, réparent dans leurs propres frais. D'autres propriétaires vont même jusqu'à vous dire de ne pas toucher à, la maison. Ils ont des techniciens à eux mhm. qui doivent venir si c'est un plombier, si c'est au niveau de, de, je sais pas, mhm. du toit. C'est eux qui doivent venir le fermer. mais ils viendront jamais. Vous avez beau leur dire, leur dire qu'il y a l'eau qui coule d'un plafond, ils vont pas venir le réparer. Hein. Si c'est la pomme, ils disent je ne pas toucher à ça. Donc eux-mêmes ne viennent pas. Mm-hmm. Et il y a aussi le problème, le stress que le locataire qu'il vit. Parce que le stress, c'est pas le stress, c'est pas le stress de vivre dans, la maison de location. Le stress à la fin du mois. Si vous avez un revenu moyen, vous ne pouvez pas tout le temps dès que vous vous faisiez face à certains problèmes de la famille, un jour vous allez, vous ne pouvez pas payer le loyer. Et ça, certains propriétaires ne comprennent pas. Beaucoup d'ailleurs ne comprennent pas ça. Il suffit que vous vous dépassez le, le 5 du mois que déjà le propriétaire vous harcèle. Il y a ça aussi. Il y a le stress de comment je vais payer à la fin du mois. Il est déjà le 20. Bientôt la fin du mois, comment je vais payer. Il ce stress-là. À partir du 20, le locataire ne dort plus. Il ne dort plus. Sans compter l'électricité, l'eau qu'il faut payer. Parce que là, quand nous parlons du problème de, location, on ne parle pas des maisons qu'on loue à 250 000 à 500 000. Parce que le locataire qui paye 500 000, lui n'est pas dans ce problème, ça ne le concerne pas. C'est le locataire moyen qui paye entre 30, 35 000 et 60 000. C'est lui que ce, problème regarde. Donc nous, nous, vivons ce problème. Merci à Madame Rabi Ali. Nassiro Seydou, président de la Voix des Sans-Voix, quelle réaction suite donc au témoignage euh, de ces locataires Merci madame. Je tiens d'abord euh, à remercier le studio Kalangou pour cette mise à débat des sujets assez préoccupants de la société qui parle de location ou de la problématique de location, parle d'un phénomène de société mm-hmm. qui est très récurrent et qui, ma foi, eh, mérite euh, aussi bien le regard des autorités que de toute autre personne physique ou morale qui mm-hmm. peut autant que faire se peut, contribuer à solutionner ce mal. Madame a parlé de location des gens qui prennent 500 000. Oui, mhm. ça, ce n'est pas de location, ça, c'est autre chose. Mais elle a raison, il faut parler de ceux qui parlent de location de survie. Des gens qui, véritablement, dès qu'on parle de location, on parle presque de misère, entre mhm. guillemets. Parce que même dans la religion, <laughs> on dit que le toit fait partie d'un minimum vital pour un croyant ou pour tout celui qui doit demander à Dieu quelque chose. Mhm. Je pense que c'est un phénomène de société réel qui doit être examiné, qui doit être discuté de manière à situer un certain nombre de responsabilités parce qu'il y en a mhm. de part et d'autre et que des solutions soient proposées à, court ou à long terme mhm que cela y soit, c'est ça le souhait de tout le monde. Le problème de location tel qu'il se pose au Niger, il va falloir le catégoriser d'abord. C'est vrai, les gens ont parlé de la charité de vie, les madame a ajouté autre chose, mais quand vous écoutez aussi tous ceux qui ont intervenu, c'est vraiment une expression de ce qu'ils sont en train de vivre. Un désespoir où, de part et d'autre, il n'y a pas de solution en perspective. Et les gens se sentent presque abandonnés. Je reprends l'expression de nous, puisque, en fait, ce qu'ils ont dit ou ce que tout ce que les locataires sont en train de vivre, c'est ça, de par le droit, même les aspirations qu'on dit du peuple, de la conscience, autre chose. Les gens aspirent à un mieux vivre, à un mieux être. Et un mieux vivre, il n'y a pas mieux qu'avoir là où on doit se coucher, ou pour soi, ou que l'État crée les conditions en tant que citoyen qu'on ait non seulement de manière un peu confortable, mais aussi accessible à son train de vie, ou à son salaire, ou à son petit commerce qu'on fait. Et je pense que dans cet aspect précis, la responsabilité de l'État y est fortement engagée. Parce que c'est à l'État de créer ces conditions pour tous les citoyens, y compris cette frange de la société qui n'a pas beaucoup de choses dans ses mains. Et la responsabilité de l'État intervient dans le sens où il faut élaborer d'abord des textes. Mamanoura a parlé des textes, il existe. Mais ce n'est pas appliqué. C'est des textes usuels, c'est des vieux textes qui, aujourd'hui, ne cadrent même pas avec la réalité parce que quand ils ont conçu les textes-là, ils n'ont pas libéralisé le secteur de cette affaire de vente de terrain. Souvenez-vous, à l'époque où les textes étaient élaborés, c'est l'État qui est propriétaire des terrains. C'est l'État qui vendait les terrains à travers les mairies, à travers toute autre structure organisée. Mais à un moment donné de la vie, avec la démocratie, l'État a libéralisé ce secteur. Mhm. Et c'était devenu une pagaille, c'était devenu une exploitation de l'homme par l'homme, pour reprendre euh, l'expression de Karl Marx. C'est les hommes qui exploitaient les hommes à travers cette affaire de lotissement privé. Tout le problème qui a gonflé les trucs de location, qui a créé ces conditions-là. C'est cette affaire de lotissement privé qu'on a connue depuis l'avènement de la démocratie. 20 ans aujourd'hui, 25 ans, on va Donc, Donc la cherté de la location s'explique par euh, le lotissement. Exactement, à mon avis, mm, c'est mm, mm. un pan qui peut l'expliquer. Parce que si l'État avait conservé dans ses jurons euh, le fait qu'un citoyen puisse accéder à une parcelle, tu vas à la mairie, il y a des échéanciers qu'on te fait. Euh, bon, dans tous les cas, à la mairie, c'est 200 000, 300 000, tout au plus 500 000. Une parcelle que l'État devrait vendre au niveau de la mairie à 500 000 aujourd'hui, vous la, vous la payez à 2 millions, à 1 500 000, depuis le lotissement. Et de là, c'est là, parce que personne ne peut y accéder, il faut ceux qui ont les moyens. Tu viens, tu fais un lot de 500, tu payes. Et maintenant, tu, ajoutes ce que tu veux, tu vends comme tu veux. Or, les textes tels qu'ils sont tels qu'ils ont été élaborés, ils doivent protéger ceux qui ont le faible revenu. Et cela, à travers le logement privé, n'est pas possible. Dans tous les cas, à travers le mécanisme de logement privé, celui qui a les faibles euh, moyens ne peut même pas rêver avoir une parcelle à plus forte raison Donc, il va se contenter de ceux qui vont construire et lui donner à location, mhm. sans aucune autre réglementation, même dans la mise en œuvre de cette location-là. Parce que quand vous regardez, même l'État, s'il se rend compte, il perd dans cette location. L'État n'arrive pas. Il y a des textes qui disent que l'État, quand vous construisez des maisons, vous mettez à location, l'État doit avoir des impôts. L'État ne le récupère pas parce que l'État a laissé faire. L'État a laissé faire pourquoi Parce que la plupart des gens qui ont ces maisons sont des animateurs de l'État ou sont accrochés quelque part à l'État à travers ce qu'ils sont en train de faire comme commerce. Donc je pense qu'il y a une complicité tacite, il y a une responsabilité de l'État à mettre à terre. Le ballon doit être rejoué mhm. de manière à ce que l'État revoie qu'est-ce qu'il doit faire. D'accord, le lotissement privé. Mais souvenez-vous, hein, l'État était obligé à un moment donné, je ne sais pas, à 4 ans ou 5 ans comme ça, d'arrêter cette affaire de lotissement privé. Parce que c'était devenu une anarchie nationale où l'État ne contrôle rien, dans tous les cas, dès qu'il a affaire de location, dès qu'il a affaire de logement, il y a le caractère social de cet aspect-là qui incombe à l'État et qui doit le préserver vaille que vaille. Maintenant, c'est ce caractère social qui disparaît. L'État a laissé les citoyens faire sans <laughs> préserver ce caractère social de manière à ce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de payer sa chair, les gens sont en train de vivre dans leur chair. Tout ce qu'ils attendent du côté de l'État, le minimum pour survivre. Voilà, Maman nourrit président de l'Association de défense des droits des consommateurs. Alors, euh, qu'est-ce qui explique aujourd'hui euh, la cherté de la location Moi, je crois qu'il y a non seulement la spéculation, mais il y a aussi le cadrage réglementaire et institutionnel qu'il faut pour qu'on ait une catégorisation des loyers et au-delà de la catégorisation, on ait une idée mhm. des prix par typologie de loyers, par catégorie de loyers. Donc cela n'existe pas encore. Mais dès lors que cela n'existe pas, donc certainement, c'est le, libéralisme à outrance et les conséquences, c'est sur qui C'est bien entendu sur les locataires, c'est sur les consommateurs. Bien sûr. Uh-huh. Je crois que le cri de cœur de madame, les détails qu'elle a donnés, c'est ça la vie du locataire, uh-huh, uh-huh. C'est réellement ça la vie du, locataire. Hein, quand vous allez rentrer, d'abord, euh, il y a les intermédiaires qu'elle n'a pas évoqués les intermédiaires des, maisons de loyer. Mm, allez-y. <laughs> Ça, il faut les payer. Et de, c'est des 5 000 francs à 10 000 francs parfois, c'est au-delà. C'est ça les démarcheurs C'est ça les démarcheurs, c'est ça mm-hmm. les intermédiaires. Mm-hmm. Maintenant, eux-mêmes, ils spéculent autour du prix même du loyer, mm-hmm. en tout cas donné par le propriétaire. Souvent, le premier prix là, plutôt même le, plutôt l'avance du loyer, souvent, ils demandent un mois de la le, propriétaire de la maison, il demande un mois et c'est un engagement malheureusement mhm. informel comme ça. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Mhm. Euh, cette spéculation fait en sorte que au finish, les loyers, que ça soit une chambre, un euh, très couché, chambre salon, une euh, chambre salon ou mini villa, tout ça là. Donc, madame a parlé en tout cas d'une fourchette de prix de 20 mhm. 000 francs jusqu'à chambre, chambre salon, là, ça, peut atteindre jusqu'à 50 000 francs, 60 000 francs. Mhm. Ça dépend de la façon dont ça a été fait, en maturé définitif ou en banco. Donc, ça dépend de ça. L'un de l'autre, c'est la classe moyenne. Je dirais pas même la classe moyenne parce que euh, la classe moyenne, c'est ceux qui ont un revenu mensuel euh, sûr et qui peut couvrir les besoins au moins du loyer et les besoins alimentaires. Oui, il y a aussi les, les ménages à faible revenu. Voilà, il y a les ménages à faible revenu. Et ces ménages à faible revenu, le plus souvent, quand vous regardez, c'est les manœuvres, les ouvriers, c'est les petits commerçants. Euh, en fait, c'est cette catégorie sociale qui, malheureusement, elle est abandonnée. Abandon, complètement abandonnée. Et c'est elle, cette catégorie-là, le plus souvent, c'est euh, entrée couchée euh, et chambre salon, et le plus souvent, c'est des, chambres en banco. Mhm. Donc, ah, euh, en dehors de ça, elle a parlé de, non seulement de l'avance, mais aussi de la prise en charge des réparations. Par exemple, je prends le vidage des forces sceptiques. Euh, en tout cas, dans, le code de à loyer, normalement, c'est le propriétaire qui devrait s'en charger. Mais dans beaucoup de cas, dans beaucoup de, tout cas, c'est les locataires qui, qui payent. Malheureusement, mhm. les locataires. Mhm soit individuelle ou collective, qui s'en charge de vidanger. Et là, c'est pas normal. C'est une violation flagrante des dispositions du Code de bois loyer. En dehors de ça, les petites réparations de la maison, si ça ne dépasse pas, je crois que ça doit être un tiers ou un quart. Là, les locataires peuvent prendre un charge jusqu'à ce tout. Au-delà, normalement, c'est le propriétaire de la maison. Et dans le cas d'espèces, le plus souvent, malheureusement, ce qu'on constate, c'est les locataires qui payent. Donc, mhm. l'un dans l'autre, en plus du prix mensuel, il y a cette pression, comme l'a dit madame, mhm. du stress, euh, en tout cas des réparations, du stress de la prise en charge de certaines réparations et de certaines euh, choses qui peuvent venir à tout moment mhm. et ce n'est pas sûr lorsque c'est venu, vous avez l'argent. Mais aussi du stress de, la fin du mois. Et là, même là, il n'y a même pas un cadrage, en tout cas dans le temps de délai de paiement. Donc, il y a des détails qui sont là, abandonnés, et de révision à euh, révision, je ne sais pas, on prend en charge quoi nous allons à présent écouter Boubacar Sabo Adamou, directeur de la promotion immobilière et de logements sociaux au ministère de l'Urbanisme et de Logement sur les actions donc faites par l'État pour faire face donc à ce problème de loyer. De l'indépendance jusqu'à 2014, en tout cas, il n'y avait pas eu plus de 3000 logements qui ont été construits au Niger. Mais à partir de 2014, Vraiment, l'État a opté pour le partenariat public-privé, donc à travers les promoteurs qui viennent investir. Donc, euh, c'est ainsi que l'État, je crois que jusqu'à aujourd'hui, l'État a signé quatre conventions qui sont en cours d'exécution. Donc là, je te parlerai d'une société, euh, société sénégalaise qui est en train de construire euh, sur la rive droite, Route qui est en train de construire présentement 537 logements. Il y a une société aussi qu'on appelle Global Get, qui est en train de construire 1000 euh, logements. aujourd'hui, il y a une cinquantaine en construction déjà. Tout récemment, vous êtes au courant des 15 000 parcelles que l'État a proposées aux travailleurs. Ça, c'est à Bangoula. Et vous avez demandé quels sont les bénéficiaires. En fait, les bénéficiaires, ce n'est pas les fonctionnaires seulement, mm-hmm. c'est les travailleurs. Donc, comme critère, il suffit d'être nigérien et travailleur. Donc ça peut être du public, parent public et privé. Et en 2011, il y avait 174 euh, logements à Sarikoubou. Allez-y voir, j'ai vu des auxiliaires dedans qui ont bénéficié. Donc vraiment, c'est du social. Et même les 15 000 parcelles, là, permettez-moi de vous dire, les 15 000 parcelles, là, on avait dit, on a établi même des critères. Et ça, c'est avec les syndicats qu'on a eu à travailler. Et on privilégie ceux qui sont proche de la retraite. L'État a décidé de construire, dans un premier temps, c'était 5 000 logements, c'est parti jusqu'à 25 000 logements. Et le Niger est un pays pauvre. L'État n'a pas les moyens parce que les techniciens ont fait le calcul et ont soumis le programme euh, à l'État. Mais l'État n'a pas les moyens, mhm. surtout avec l'insécurité, avec la santé qui sont une priorité d'abord pour l'État parce qu'il faut se sentir d'abord en sécurité avant de penser à ça. Parce que depuis, en fait, dans l'instruction budgétaire, il n'y avait pas eu quelque chose pour la construction de logements sociaux. Mais aujourd'hui, dans le programme, l'État a inscrit la construction de logements sociaux sur fonds mhm. propres de euh, cette année. Mhm. Donc déjà, c'est un pas en avant. Mhm. C'est un pas en avant. Et déjà, nous avons lancé même une étude euh, pour la construction de ces, de ces logements. Dans une première phase, en tout cas cette année, il y aurait au moins 200 logements qui seront construits sur fonds propres de l'État. Et là, c'est déjà une avancée. Parce que d'ici 2025, en tout cas, l'État a prévu de, de, mobiliser 70 millions, 70 milliards, pardon, pour la construction de logements sociaux. Donc cette année, en tout cas, ça serait 2 milliards et quelques. L'année prochaine, 13 milliards, et ainsi de suite. Et là, c'est sur fonds propres. Ça veut dire que ça serait encore plus bas. Donc euh, l'État est en train de faire de son mieux, en tout cas, pour que le logement soit, soit vraiment abordable et aux travailleurs qui en ont besoin. Vous venez là donc de suivre Boubakari Sabo Adamou, directeur de la promotion immobilière et de logements sociaux au ministère de l'urbanisme et de logement. Madame Rabi Ali, vous êtes locatrice, donc euh, quelle appréciation faites-vous euh, sur les différentes actions menées par l'État pour faire face à cette situation du loyer Pour les actions menées par l'État, moi je pense que eh, ça ne peut pas concerner tous les travailleurs. Mm-hmm. Étant donné que ici maintenant dans notre pays, on a tendance plutôt à politiser les choses dans toutes les actions. Mhm. Donc euh, ça ne peut pas concerner tous les travailleurs. Maman Nourou. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de tout à l'heure là. Euh, bon, on sait que l'État fait des efforts, mais c'est qu'il faut nuancer. Oui. Le code des bois à loyer, ou du moins la question de l'habitat n'est pas forcément liée à une fonction salariale de l'État ou du secteur privé. Mhm. Euh, je crois que le droit à l'habitation ne s'adresse pas uniquement aux travailleurs. Et malheureusement, ce qu'on constate, l'État ne s'occupe que de ceux qui ont des salaires, qu'ils soient du secteur public ou du secteur euh, privé. Mhm. Et je crois que la majorité de la population, surtout des locataires, là, malheureusement, est oubliée. Maintenant, c'est comment faire pour que désormais l'État pense à ces personnes l'argent et qui ne sont pas forcément des salariés. Les autres qui sont dans le secteur de vie active, mhm. qui contribuent énormément, en tout cas, au budget national, parce que tous ceux qui ont des maisons de location, c'est l'argent des locataires-là, qui ne sont pas forcément des salariés, mhm. qui contribuent en tout cas à faire beaucoup de choses. Maintenant, comment faire pour que cette frange de la population oubliée mhm. soit en tout cas reconnue dans les faits, notamment dans la politique du logement fait par l'État. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que euh, même l'intervention de l'État, ça ne règle pas tout. Parce que l'État, quand les construit construits ou le secteur privé construit, il donne aux locataires avec un échéancier, mais ça ne règle pas le problème de disponibilité et du coût des loyers. Ça ne règle pas le problème de la mise en œuvre de la réglementation par rapport à l'actif du locataire, par rapport à la réalité que vivent les locataires. Donc, je crois qu'il y a deux choses à séparer. Il y a la politique de logement, de, la construction de logements sociaux, dont une bonne frange de la population est abandonnée. Maintenant, il y a la régulation du secteur des locations. Deuxième aspect, comment faire en sorte que les locataires qui sont dans les loyers de location, qu'ils soient du secteur commercial, qu'ils soient du secteur d'habitation comment faire en sorte que l'État ait un regard sur ça et je crois que c'est ça le code du bois. Le loyer, c'est un secteur vital, c'est un secteur qui contribue au budget national. Comment faire en sorte que, au-delà de, de, la réglementation, qu'il y ait une structure autonome indépendante qui doit regarder la mise en œuvre de cette loi-là sur le code du bois. C'est mhm. ça qui est important. Et c'est là où je vais en venir, c'est ça la régulation. Où les locataires, quand il est lésé, il peut courir là où il faut pour qu'on le mette dans ses droits ou qu'on fasse de conciliation entre le propriétaire de la maison et lui-même par rapport à certains litiges, qu'ils soient petits ou grands. C'est surtout ça qui est important. Or, dans les faits, quand on regarde, il n'existe pas du tout, en tout cas, euh, une structure qui s'occupe de ça, sauf les quelques règlements faits par, par exemple, les commissariats ou rarement par les tribunaux communaux. Mhm. Et aussi, ce qu'on appelle le recours non juridictionnel où le locataire peut courir au niveau d'une institution pour que soit écouté, entendu et éventuellement le problème soit traité. Donc, il n'existe pas cette structure-là. Autant qu'on a fait sur le secteur transport, il est trop libéralisé, là où il y a trop de problèmes, on a fait une autorité de régulation. Autant dans le secteur de loyer, il faut faire une autorité de régulation. Nous allons à présent écouter euh, Nassir Seydou, président de la Voix des Sans Voix. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire Maman Nouri Je pense que c'est vrai, nous l'a un peu le recadré. Nous sommes en train de discuter ou de voir dans quelles conditions, dans un premier temps, l'État ou tous ceux qui sont euh, ceux qui peuvent être impliqués dans le secteur de des locations, des constructions. Mhm. Nous sommes en train de voir comment les citoyens nigériens, fonctionnaires ou pas, peuvent avoir une véritable politique d'accès mhm. à un logement. À commencer par une parcelle d'abord et comment la construire dans la mise en œuvre. Deuxièmement, nous discutons de ceux qui sont en train de vivre mhm. un certain nombre de problèmes. Oui dans la vie de la location, comment atténuer un peu leur misère, comment atténuer un peu leur calvaire, et ça à travers l'implication et la responsabilisation des acteurs, mhm. notamment en premier lieu l'État. Donc, c'est ces deux aspects ou ces deux paramètres que nous sommes en train de discuter là-dessus. Par rapport au deuxième aspect de la location en tant que telle, je suis totalement d'accord avec lui. Il faut une autorité de régulation. À défaut il faut que l'État s'implique. Parce que les textes, ça existe. Hein. Il y a des textes, euh, des, bons textes qui sont élaborés de tout le temps, mais c'est dans la mise en œuvre qu'il y a des problèmes. Mhm. Bien qu'à ce niveau, ça n'existe même pas la structure en tant que telle, où aujourd'hui, quand tu as des problèmes avec ta location, tu ne sais même pas où tu vas aller. Mhm. Peut-être tu vas aller dans des tribunaux, ils vont te dire ça, c'est pas leur affaire, il faut aller dans les trucs de commerce, il faut aller dans Donc, ça, là, l'État doit réglementer ça et mhm. faire en sorte que les citoyens aient des repères en cas de problème. Et quand on commence par ça, ça va régler le problème. Deuxièmement, il y a d'autres pays, quand vous prenez, j'ai vu la réglementation du Sénégal, les quartiers sont catégorisés au Sénégal. La fixation des prix est fonction du quartier et de la typologie de la maison que tu as faite. Et cela, l'État y veille à travers des comités de quartier, à travers une véritable organisation sociale qui est chapeautée par l'État et qui fait en sorte que les citoyens se retrouvent autant que faire se peut dans les conditions requises. Et tant que cette catégorisation n'a pas été faite, mhm. je pense que c'est comme ce que nous sommes en train de vivre. Tu te lèves un bon matin, tu as ton argent, tu construis tes villas comme tu veux, tu, donnes aux démarcheurs. <laughs> Eux, d'abord, ils exigent un mois ou combien de mois. Mhm. Et, tu fixes ton prix comme tu veux et tu dis bon celui qui veut rentrer, celui qui ne veut pas ne rentre pas mhm. et comme il y a problème de location les gens en ont besoin. ils sont obligés de, se soumettre à tes mmh, désirs à tout ce que tu veux. Certains te disent, regardez comment on va dire, mmh. quatre mois d'avance, ou bien, ou bien on te dit 3 mois d'avance, trois mois de choses. Dans un où tout celui qui cherche déjà à louer, Comment on va lui parler d'un certain nombre de mois jusqu'à 6, 5 Et il n'y a pas un endroit où le, le, locataire peut aller se plaindre. Il n'y en a, pas. et, et, à travers ces <laughs> structures dont les gens réclament aujourd'hui, par mm-hmm. exemple, quand, quand se sont mises en mm-hmm. place, la première des choses, c'est au moins de dire qu'on ne doit pas dépasser un mois de location, un mois de, de, de, la, caution. <laughs> la caution. Et quand on fait ça, au moins, les citoyens lambda peuvent accepter que l'État est en train de faire quelque chose dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Maintenant, ça, c'est des actions de l'immédiat que les gens cherchent. Mhm. Les actions futures, c'est ce que j'ai entendu le, directeur en train de parler. Ça, c'est des perspectives, les actions futures. Et je ne suis pas tout à fait d'accord qu'on donne à une société sénégalaise la latitude de venir construire des logements au Niger pour vendre. Ça, c'est du commerce, ça n'a rien de social dedans. On ne peut pas me faire comprendre que dedans des interactions entre un fonctionnaire nigérien ou un citoyen lambda nigérien et une société sénégalaise à qui l'État a donné le monopole, que le citoyen peut se tirer quelque chose de cette affaire-là. Ce n'est pas possible. Ça, là, c'est des choses à ne même pas exposer au public et ces conventions-là, est en train de dire. Il n'y a que lui qui est en, connaissance de ça. Je l'ai entendu citer plusieurs conventions. Mm-hmm. La seule que aujourd'hui les Nigériens ont, connaissance, les Nigériens lambda, qui suit les télés, c'est cette affaire des syndicats et des parcelles de Bangola mm-hmm. que l'État a mis en œuvre. Et ça, ça c'est une très bonne chose. Bien que les syndicats soient en train de traîner, et au niveau du ministère de, choses-là, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe actuellement dans ce secteur où l'État a accepté de mettre je ne sais pas combien de parcelles à la disposition. Ça, c'est une œuvre qui a un caractère social si elle est mise en œuvre les logements sociaux, comme les, non noms on les appelle logements sociaux, hein. parce que c'est le caractère social qui est mis en avant, ce n'est pas la recherche effrénée du profit. C'est à l'État de prendre sa responsabilité pour arrêter ce genre de choses et faire en sorte qu'il y ait des promoteurs nigériens que l'État va contrôler au jour le jour et qui seront obligés non seulement d'avoir d'accord du bénéfice dans ce qu'ils sont en train de faire, mais un bénéfice qui a un caractère social, un bénéfice qui est contrôlé par l'État. Et non ce capitalisme, parce que ça, c'est des formes de capitalisme à outrance, c'est des gens qui viennent de l'extérieur pour investir. Moi, je ne suis pas d'accord comme les un peu du social. Madame Ali, le prix euh, du loyer continue de grimper euh, selon les constats sur le terrain. Alors, euh, quel est le prix de votre loyer actuellement Le prix de mon loyer est de 60 000. Hmm. Mais les prix grimpent. Les hmm. propriétaires font grimper les prix. Par exemple, si vous rentrez dans une maison et qui n'est pas ni électrifiée et qu'il n'y a pas d'eau, dès qu'il vous met et l'eau, il augmente 10 000. Ensuite, par exemple, moi, dans ma maison, j'étais rentré à 40 000, mais quand il avait installé l'eau il a dit que, bon, voilà, madame, vous avez l'eau maintenant, mais le loyer va augmenter. Il a encore augmenté 10 000. Ensuite, quand il a électrifié la maison, il a encore augmenté 10 000, ce qui me fait 60 000. Donc, est-ce euh, supportable par rapport à votre... Mais non, pas du tout. Mais comme j'ai dit la première fois, euh, dans, ma première intervention, l'instabilité, la, c'est ça, c'est de ça que je suis fatiguée, mhm. de ne plus être stable dans la ville de Niamey. Que mes connaissances, mes amis, ma famille chaque fois qu'on a besoin de moi, on ne sait même pas dans quel quartier je loge. Donc, je suis obligée d'accepter ce qu'ils m'imposent. Je suis obligée. C'est pas que je peux, mais bon, je m'y fais. <laughs> Et quand on parle des logements sociaux, vous m'excusez, je vais rentrer dans ce sujet. Quand on parle de logements sociaux, moi je pense que la construction de logements sociaux par l'État mm. ne peut pas résoudre le problème que le locataire vit actuellement au Niger. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça peut l'atteindre parce que ceux qui, ceux qui louent et qui ont maintenant accès à ces logements sociaux à travers des facilitations de l'État, ils vont libérer des maisons qu'ils louent. Et plus les maisons qu'on loue sont nombreuses, plus le prix sera obligé de baisser. Aujourd'hui, c'est l'offre et la demande, madame. C'est parce que les gens qui demandent des locations sont beaucoup nombreuses et les personnes sont nombreuses que les, ceux qui sont des propriétaires des maisons se, se voient dans le droit ou le privilège de fixer leur prix comme ils veulent et de faire en sorte que celui qui veut, il prend, celui qui ne veut pas, il prend. Alors, Justement. que la demande est faible. Alors, Nasser quelles sont les conséquences que le problème de logement peut avoir sur la société oui, Les conséquences, c'est la stabilité, comme elle dit mm. d'abord sur le plan psychologique. Mm. Tu es permanemment eh, eh, perturbé, stressé, stressé, à travers ce que tu vis dans le quotidien. Deuxièmement, même et euh, regardez la fréquentation de tes enfants à l'école, par exemple. Tu quittes tel quartier cette année, un autre, peut-être en pleine année, tu seras obligé de, de, de, changer de changer de quartier. Ça aussi, ça peut perturber les enfants sur le plan de la scolarité. Deuxième aspect, les, interrelations sociales que tu as déjà développées au sein du quartier, tu vas les perdre mm-hmm. parce que la distance fait en sorte que souvent tu ne peux plus continuer à entretenir les mêmes relations et c'est important de la société. Économiquement, tu vas perdre parce que dès qu'on te chasse, ou oui, parce que c'est le mot, on te fait sortir d'une maison pour aller à une autre, tu vas te débrouiller pour prêter de l'argent pour les avances là et les cautions. Dans un contexte où peut-être tu n'arrives même pas à payer les autres ou, ou Donc, Vraiment, il y a tout, toute une paloplie de, de, de, de, choses qui sont en train de faire en sorte que tout celui qui loue, il est véritablement à la merci de Dieu et il prie Dieu chaque fois parce que je vous dis, hein, c'est une affaire de dignité, cette affaire de location. <laughs> C'est une affaire de dignité humaine. c'est lui qui loue, entre guillemets, vraiment, c'est Hamdallah. Parce que dans, dans le contexte actuel, on dit, même sur le plan religieux, que le, le, le, premier critère ou le premier aspect pour dire que tu vis, tu vis bien, c'est avoir un toit propre à toi mhm. dans lequel tu peux faire ce que tu veux. Personne ne, ne, te fera une, pression. Alors, Nassir Seydou, comment y remédier donc à ce problème et aussi sur quoi donc faut-il mettre l'accent pour que tout citoyen ait un cadre de vie décent Oui, pour qu'il y ait une politique véritable, il faut qu'il y ait une véritable politique de logement au Niger. Et ces logements, j'insiste bien qu'ils doivent avoir un caractère social. Parce que je ne suis pas d'accord que dans la promotion des logements sociaux, que le gain soit mis en avant. Et cela ne peut être évité que si l'État rentre devant cette situation, ou à travers lui-même l'État construit, ou à travers des initiatives locales nigériennes que l'État va contrôler lui-même au fur et à mesure que les choses se passent, premièrement. Deuxièmement, l'État a déjà arrêté cette affaire de privatisation des terrains, où c'est les chefs de village qui vendent, c'est les, les, commerçants qui vendent, alors qu'on a dit la terre appartient à l'État. Et c'est pour éviter ce genre de spéculation que longtemps, l'État, à travers les mairies, vendait les parcelles. C'est pour permettre à tout le monde, quelqu'un qui a l'argent comme quelqu'un qui n'en a pas, d'accéder à long terme pour pouvoir mettre en œuvre euh, un, petit toit <laughs> dans lequel il va y demeurer le long de sa vie. Et je pense qu'il faut que l'État, ayant arrêté ça, continue à créer les conditions que la vente ou la mise à disposition des parcelles, que ce soit le domaine exclusif de l'État. Je ne sais pas, à travers les mairies, à même si aujourd'hui c'est décourageant, ça n'existe même pas. Hein. La terre n'existe pas aujourd'hui. Quand vous regardez Niamey, là, jusqu'à 50 km, est-ce que vous avez une parcelle L'État, euh, actuellement, pour, les affaires de parcelle, l'État ne peut rien. Dans, tous les chefs-lieux des départements, dans tous les chefs-lieux des régions, là, quand vous regardez, les maires ont vendu, au moment où ils vendaient, ils ont vendu jusqu'à 20-30 km de la ville. L'État aujourd'hui, je ne sais même pas comment les techniciens de l'urgence peuvent se réunir pour y remédier. Véritablement, aujourd'hui, quand vous avez besoin d'une parcelle à Niamey, peut-être l'État va vous vendre vers Benin je ne sais pas où, je sais pas si, si jusqu'à 20 ou 30 km de Niamey, l'État peut avoir aujourd'hui le monopole de dire Ah, ça c'est le domaine de l'État, je vais vendre. Pour finir, madame, je pense que cette structure de l'immédiat dont les gens réclament pour gérer les conflits mhm. permanents qui existent entre les propriétaires des maisons et les locataires, elle est nécessaire. Les commissariats ne règlent pas ça. Les tribunaux ne règlent pas ça. Alors que faut-il faire l'État doit réfléchir et voir dans quelles conditions il peut mettre un organe qui a aussi bien un caractère social, juridique et économique, c'est-à-dire des acteurs économiques, des acteurs sociaux, des acteurs juridiques qui peuvent, autant que faire se peut, chercher à de l'amiable à régler des petits problèmes qui se jouent ça et Parce que Dieu sait que ces problèmes existent chaque jour. Il y a des Nigériens qui ne savent pas où se plaindre. Il y a des Nigériens qui ont ce petit problèmes et qui cherche à ce que l'État crée des conditions. Et les gens sont obligés de se rabattre du côté de l'État parce que c'est à l'État de créer ces conditions. C'est l'État qui doit organiser la vie de la société mhm. de manière à ce que et les riches et les pauvres et ceux qui ont et ceux qui n'ont pas et les chefs et les routiers comme on dit se retrouvent dans ces conditions-là. Mhm. Sinon, c'est euh, ça sera un désordre. On va laisser, on va faire en sorte, comme on constate aujourd'hui, que ceux qui ont exploitent ceux qui n'ont pas. Et ça, c'est un déséquilibre social qui n'est pas acceptable dans un État moderne. Madame Rabi Ali, rapidement, nous sommes à la fin. Euh, alors, euh, sur quoi faut-il mettre l'accent pour que chaque citoyen ait un cadre de vie décent Donc, mon dernier mot dans, dans, dans, ce problème, euh, je j'interpelle l'État à vraiment insister, à vraiment décider de la fixation des prix de location. Peut-être ça, ça peut, ça peut peut-être nous, nous, alléger un peu le, la vie. Parce que si l'État ne fixe pas, chaque propriétaire, il fixe le prix qu'il veut de, sa maison parce qu'il dit que sa maison lui appartient. Mais si l'État fait une fixation, les lois sont là. Tu sais, une chambre salon, comment tu le loues selon le quartier, comme dit monsieur. Eh, eh, eh, il y a, y a, un critère des prix. Donc moi, je, je pense vraiment qu'une fixation des prix. Nous sommes donc euh, au terme euh, du forum euh, sur le problème de loyer à Niamey, comment y faire face. Vous avez donc suivi nos invités sur cette thématique. Les autorités doivent avoir un œil regardant sur le problème de logement à Niamey, et aujourd'hui une préoccupation de bon nombre de citoyens. Nous étions en compagnie euh, de Mohamed Nouri, président de l'Association de défense des droits des consommateurs ADDC Wadata. Madame Rabi Ali, locatrice, Nassir Seydou, euh, président de l'association La Voix des Sans-Voix. Merci euh, donc à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. La présentation est assurée par Fatih Zakari, la technique Amin Hassan. Le programme continue sous le studio Kalongo.